auditeurs et auditrices du studio Kalangou, bonjour à vous. Ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou de ce vendredi 26 mai 2023. Où que vous soyez, nous vous disons merci d'être de notre. Je suis Ali Moukela Ousseni alias Seno et avec moi ce matin, Sali pour la présentation. Bonjour Sali. Bonjour Seno, comment tu vas euh, Je vais bien, Dieu merci. Oh, c'est bien, Seno, On, fait euh, aussi un petit coucou. On fait aussi un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté du studio à la technique CSN Isaka et à l'édition Adam Alors sinon, quel est le menu du jour Aujourd'hui, Sally, nous avons prévu un menu époustouflant pour nos auditeurs et auditrices actuellement escotés. Nous allons débuter avec un flash d'information, puis une bonne dose de musique moderne nigérienne comme d'habitude. Il y aura du loti avec le desk femme du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif Sariou Adam de la culture linguistique, sans oublier la revue de presse qui est présentée chaque vendredi. Toujours en ce menu, c'est nous, nous allons, nous allons, dans la rubrique invité du jour, écouter un entretien que Marianne Bouchard, formatrice en fact-checking de la Fondation Hirondelle, nous a accordé un entretien. Et oui, notre rubrique Écho des régions nous conduira à Dosso, précisément à Kyoto, pour parler de la scolarisation de la jeune fille. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Chers auditeurs, installez-vous confortablement car c'est parti pour toute une heure de divertissement et d'infos. Sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash d'information avec euh, Rukayatou Abdurrahman. Et eh oui, justement, Ruki est avec nous dans ce studio. Ruki, bonjour. Bonjour Salamatou, bonjour Seno, bonjour fidèles auditeurs. Le 3 août sera désormais célébré fête nationale au Niger. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du jeudi 25 mai 2023 qui a examiné et adopté le projet de décret modifiant la loi numéro 97 20 du 20 juin 1997 instituant les fêtes légales. La loi numéro 59-22 du 24 décembre 1959 a fixé pour la première fois la liste des fêtes légales devant être observées en République du Niger. Après accession du pays à l'indépendance le 3 août 1960, cette loi a été complétée par la loi numéro 60-048 du 22 octobre 1960 pour marquer cet événement déterminant de la vie nationale en instituant le 3 août fête nationale. Toujours en Conseil des ministres du jeudi 25 mai 2023, le projet de décret portant approbation du rapport combiné valant troisième et huitième rapport périodique du Niger sur la mise en œuvre de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant a été examiné et adopté. Le Niger a ratifié la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant le 11 décembre 1996. Cet instrument fait obligation à tous les États partis de soumettre au Comité africain des experts sur le droit et le bien-être de l'enfant des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet à ces dispositions ainsi que sur les progrès réalisés dans l'exercice de ces droits. Le 25 mai, les ministres de la Culture et les chefs de délégation des États africains lors de leur assise à Rabat du Maroc euh, au Maroc le 22 mai 2023 ont envisagé le renforcement de la coopération entre leurs pays. Dans une déclaration faite le même jour, ils ont dans la perspective d'instituer les bases d'un renforcement de la coopération culturelle entre les États africains, de réfléchir à la mise en place des mécanismes sine qua non pour le développement de leur action culturelle commune pour le bien-être présent et futur de leurs concitoyens. C'est ici que prend fin ce flash d'informations. Merci Ruki pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous allons écouter avec vous l'entretien de Marianne Bouchard sur le fact-checking. Mais avant, savourons d'abord la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Oui, c'est nous exactement. Je vous propose ce titre bourré de l'orchestre Orco 5. On écoute.

ni bayi da ba sa abu L'orchestre musical Orco 5 fait partie aujourd'hui des grands orchestres du Niger, créé en 2011 avec euh, le soutien des autorités communales du 5e arrondissement. Orco 5 prend son nom à partir euh, du diminutif du nom orchestre et 5 du nom de la commune 5, constitué au début euh, de trois personnes dont le chef d'orchestre Omar, un ancien batteur très connu dans le milieu musical nigérien. Cet orchestre est composé du feu Moussa, le chanteur principal du groupe euh, Razak, le deuxième chanteur, Soul, le pianiste, le, et également les choristes Bagnois et Mokhtar. À la guitare basse, Rougeux et Soul Pawa à la batterie Tondi, également à travers ses compositions faites en langue nationale, notamment Hausa, Zarma ou Gourmanche. L'orchestre Orco 5 fait aujourd'hui la fierté des mélomanes nigériennes et notamment ceux de Niamey. Les compositions de Orco 5 portent essentiellement sur l'amour, la paix ou encore la tolérance. Ainsi, dans les chansons Boire et Mongo, L'orchestre musical incite les parents à inscrire leurs enfants, notamment les petites filles, à l'école. Il dénonce aussi la délinquance juvénile, la prostitution, la violence et la violence à l'endroit des enfants zangai warko sai kini bayi shafu labta kai mama andunya duniya suru na gaba mai ga zangai warko sai kini gaba aye ko min sai kuno ido zangai warko sai kini gaba Chers auditeurs, à présent, Écoutons la première partie de notre entretien avec Marianne Bouchard. Madame, qu'est-ce que c'est qu'une fake news En français, le terme exact, c'est infox. fox. Euh, on l'utilise pour euh, parler de tout type d'informations, que ce soit écrite, euh, images, vidéos, audio aussi beaucoup, qui sont diffusées euh, principalement sur les réseaux sociaux. Ça commence toujours beaucoup sur euh, des réseaux comme WhatsApp ou Telegram pour ensuite se retrouver sur Facebook, Instagram, etc. Et ça fait euh, plusieurs années que cette tendance euh, augmente, malheureusement. Et comment détecter une fake news Alors ça, c'est la grande question. <laughs> Alors les, les infox euh, sont très répandus euh, partout sur les réseaux et malheureusement aussi parfois sur des sites d'information. Il y a des des infox qui sont plus ou moins bien faites. Donc il y en a qui sont très clairement fabriquées et on peut euh, les détecter euh, en regardant tout bêtement la source de ces informations. Donc quand on est sur les réseaux, regardez le compte euh, le profil qui publie ces informations, se demander si est-ce que cette personne est crédible, est-ce qu'elle est fiable, euh, est-ce que c'est pas un faux compte, est-ce que c'est un média euh, satirique peut-être, ça aussi c'est une question à, se poser en premier lieu, est-ce que c'est une vraie information ou est-ce que c'est une, une, satire qui a été faite, mais aussi comment les repérer les fake news. Des fois elles sont faites très subtilement, on dirait que c'est des vrais faits, elles sont basées sur des vrais faits qui se sont vraiment passés, mais elles sont amplifiées euh, de manière un peu insidieuse et souvent à des fins malveillantes. la détecte. Comment faire en sorte que ça ne soit plus qu'une fake news Alors, il y a le travail des journalistes qui rentrent en jeu. Euh, de plus en plus de médias s'attellent à euh, un travail de fact-checking. Donc le journalisme de vérification, c'est devenu une pratique en soi aujourd'hui à cause de ce phénomène qui devient de plus en plus grand. Donc le fact-checking, c'est le, une série de, pratiques qui visent à euh, identifier euh, les infox, les fausses informations, et à les vérifier. Et donc pour les vérifier, on utilise toute une batterie d'outils euh, en ligne qui sont souvent accessibles euh, et, gratuits euh, pour vérifier non seulement la source, mais aussi vérifier le contenu. On peut vérifier les informations sur des images pour savoir si elles ont vraiment été prises là où on dit qu'elles ont été prises. des vérifications sur les informations contenues dans des, dans des articles qui nous semblent suspects. Euh, dans ce cas-là, on fait des recherches avancées, euh, comme dans le journalisme d'investigation, pour trouver des preuves, trouver des sources fiables, scientifiques euh, ou officielles de ces faits-là. Et comment faire en sorte que ce soit plus des fake news, ça c'est vraiment la grande question pour tout le monde. C'est très compliqué, malheureusement, de, de réparer euh, la prolifération des fake news. Donc la réponse aux fake news, c'est plutôt une initiative d'éducation aux médias, de rectification euh, de l'information, où les journalistes vont s'atteler à faire des programmes spécifiques pour expliquer cette information-là, cette vidéo que vous voyez partout sur les réseaux en ce moment elle n'a pas été vérifiée, ou alors cet élément de l'information est faux, nous l'avons vérifié, nous avons prouvé qu'elle est fausse par telle ou telle preuve. Euh, et d'essayer justement de faire en sorte que ces, contenus de vérification soient eux-mêmes amplifiés et partagés massivement euh, pour informer les gens que euh, les contenus sont faux. Qu'est-ce qui fait que avoir comme conséquence Alors le problème, <laughs> c'est que les infox sont souvent publiés à des fins malveillantes soit pour euh, induire en erreur euh, la population, soit pour créer du chaos euh, en ligne, soit pour faire une diversion, polémique, pour pour créer des polémiques absolument, pour créer aussi des initiatives de parfois de harcèlement contre contre des personnes, des individus ou des institutions. ça peut aller très très loin. On a des personnes qui ont déjà perdu leur emploi, parfois même des violences qui ont éclaté dans certains pays à cause de fausses informations qui ont été relayées, et ça peut être très dangereux. Chers auditeurs, avant de continuer, suivons la revue de presse avec Nafisa Adamou Sirfo. Nafi, bonjour. Bonjour Salamtou, bonjour Sino. Bonjour. Nafi, les acteurs du deuxième forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad tirent un bilan satisfaisant de leur rencontre de Niamey, rapporte l'agence nigérienne de presse. En effet, Salamtou débuté le 23 mai dernier les travaux du deuxième forum international annuel sur le développement de la région du lac Tchad ont pris fin hier 20 5 mai à Niamey. Des travaux satisfaisants selon le directeur technique de la commission du bassin du lac Tchad, Yacinta Banseka, qui indique que beaucoup d'efforts ont été faits entre le premier forum et celui de Niamey, notamment en termes de partage d'expérience. Il indique également, je cite, qu'au cours de l'année, il y a eu beaucoup d'échanges d'expérience, ce qui a permis à la CBLT de réaliser des activités que le projet pour la relance et le développement de la région du lac Tchad, Prolaka, a prévu. Présentation du Primo Ibrahim 2021, le leadership d'Issoufou Mahamadou célébré par la République. Titre le Niger, titre le journal Niger L'ancien président de la République Issoufou Mahamadou, lauréat du prix Mo Ibrahim 2021 du leadership d'excellence, a donc été honoré le vendredi 19 mai 2023 par ses compatriotes, cela suite à sa distinction au prestigieux prix décerné par la Fondation Mo Ibrahim. Selon Niger Inter, par cette distinction honorifique de la Fondation Mo Ibrahim, c'est le Niger qui est honoré à travers son ancien président Issoufou Mahamadou qui a assuré une alternance démocratique après ses dix années à la tête du pays. L'ancien président Issoufou a déclaré que ce prix est un appel et un encouragement à poursuivre la transformation du Niger. Pour rappel, fondé depuis 2006 par Mo Ibrahim, riche entrepreneur soudano-britannique, le prix qui porte son nom vise à promouvoir la bonne gouvernance et le leadership en Afrique. Neuf insécurité, deux personnes abattues, deux autres kidnappés et plusieurs animaux volés à Manouri, indique le souffle de Maradi. Et oui, selon des sources à Mamouri, village frontalier de la commune de Safo, département de Madarumfa, la localité a été violemment attaquée cette semaine par des bandits armés dont le nombre n'est pas encore connu. Une attaque vraisemblablement ciblée car toutes les victimes appartiennent à une même famille, indique la même source. Deux personnes ont trouvé la mort, deux autres kidnappés. Les bandits ont également emporté une vingtaine d'animaux. Une poursuite a été engagée par les forces de défense et de sécurité et la population qui, pour l'instant, n'a rien donné. Mais les autorités municipales et départementales se sont rendues sur place pour présenter les condoléances de la nation à la famille des victimes et ont apporté un soutien moral à la population. C'est la fin de cette revue. Merci Nefissa. Chers auditeurs, nous poursuivons avec euh, la suite de l'entretien sur le fact-checking avec Marianne Bouchard. Ceux qui partagent les fake news sont-ils considérés comme victimes ou complices Alors la personne, c'est euh, une des premières choses euh, lorsqu'on travaille sur, le, sur les fake news et sur les infox, c'est d'essayer de trouver ce qu'on appelle la source primaire, c'est-à-dire d'où vient euh, la première publication de, de, ces fake news, de, cette, de ces infox. Et c'est un travail de détective. On doit toujours essayer de remonter à la source qui a été le premier à publier. Euh, et en remontant euh, à, la source, on voit le nombre de fois que que infox a été partagée. Alors les personnes qui partagent sont pas à considérer comme des coupables. Euh, malheureusement, c'est souvent parce qu'elles sont mal informées, qu'elles ne sont pas, qu'elles n'ont pas ces clés pour détecter les fausses informations qu'elles les prennent pour argent comptant et qu'elles les partagent souvent même avec bienveillance en se disant oh mon dieu il se passe ça euh, je le partage avec ma famille mes amis pour les alerter d'une catastrophe ou d'un ou d'un fait scandaleux donc je pense pas qu'on puisse considérer les personnes qui partagent les fake news comme des complices euh, ou comme des coupables le mot victime est un peu grand aussi c'est plus une question d'éducation aux médias et d'ignorance des, des personnes euh, de ce phénomène de, de fake news c'est important d'alerter et de se dire Lorsque vous voyez des contenus sur les réseaux sociaux, euh, y compris WhatsApp et Telegram, qui, pour certains sont, paraissent très safe, très sécurisés, de toujours mettre en doute le contenu que vous voyez c'est toujours important de se poser la question est-ce que est-ce que c'est vrai Est-ce que ça s'est vraiment passé Si ça paraît trop gros pour être vrai, c'est souvent que ça l'est. Donc il faut euh, essayer de développer ça dans, sa consommation des, réseaux sociaux et des, et des messageries. Toujours mettre en doute ce qu'on ce qu'on trouve. Essayer d'aller voir dans les grands médias aussi. C'est une bonne clé ça. Essayer d'aller voir sur les, médias généralistes ou euh, se référer à des personnes de confiance pour voir si ça a été euh, répété par des gens fiables. Comment faire la différence entre une fausse information et la vraie information La première étape euh, pour considérer une information comme fiable, c'est de regarder l'origine. Si cette information, vous l'avez lue dans un journal national ou à la télévision nationale, généralement, ces sources de médias sont considérées comme fiables, donc on a plus tendance à penser que le contenu est, et sont des vraies informations. Le travail de journaliste a une déontologie et des règles à respecter dans la vérification de ces informations. Donc on peut être à peu près sécurisé de lire le journal euh, tous les jours en se disant que l'information est vraie. Plus vous allez dans des sphères, dans des plateformes ou des réseaux sociaux où euh, n'importe qui peut publier de l'information, plus vous devez vous méfier. La fausse information ressemble beaucoup à une vraie information. Il faut regarder euh, le site internet, s'attarder euh, sur le, genre de contenu qu'il publie euh, principalement. Si c'est une personne qui a publié le compte, regardez le profil de cette personne. Est-ce qu'elle est experte dans le sujet de cette information Est-ce qu'on on peut la croire ou pas C'est comme si vous rencontriez quelqu'un dans la rue. Si un inconnu vient vers vous et vous dit machin a fait ça, est-ce que tu le crois tout de suite Je ne te connais pas. <laughs> qui es-tu Est-ce que pourquoi je te croirais c'est à peu près le même cas de figure euh, sur les réseaux sociaux. La fiabilité de, la personne. Ensuite, dans les formats, on aussi pour détecter une fausse information, on peut aussi regarder le contenu. Quand vous allez voir des fautes de frappe, des fautes d'orthographe dans les messages, euh, vous pouvez vous poser des questions. Oh là, cette personne, euh, c'est peut-être pas un journaliste vraiment comme il le dit. Des fois, on voit des, des vidéos qui sont partagées sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on dirait, on dirait vraiment un reportage euh, de médias avec une voix off. Seulement, la voix off parle avec un mauvais français ou euh, fait des, beaucoup de fautes, euh, les images paraissent un petit peu truquées. Ça, ça doit vous alerter, euh, c'est très répandu et, dès que vous voyez ce genre d'indice avec des retouches d'images ou des fautes dans les titres ou des fautes dans le français qui est parlé sur des vidéos ou sur, des messages audio, soyez vigilants et, et ne considérez pas ces informations comme vraies tant que c'est pas vérifié. Chers auditeurs, c'était là l'échange avec Marianne Bouchard sur le fact-checking. C'est nous, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire. Et oui, Sally, euh, nous sommes vendredi et nous allons parler de l'entrepreneuriat. Exactement, c'est nous. Au Niger, la moitié de la population est jeune. Et beaucoup d'entre eux, excusez-moi, beaucoup d'entre eux, après l'obtention de leur diplôme, n'arrivent pas à décrocher un job. Pour reborder pour euh, résorber le problème des chômage et atteindre l'autonomie, certains se lancent dans l'entrepreneuriat. Iminel euh, Kassoum Suleiman est un exemple. Il est promoteur de sa, propre entreprise et il vient en aide à ses frères. Il est interrogé par Aïssa Hamoudou. On est en 2023 et il doit y avoir cette prise de conscience de la part de la jeunesse nigérienne parce qu'ils ne doivent pas tout attendre de l'État, C'est, ça c'est quasi impossible. Chaque année, il y a beaucoup de diplômés qui sortent et qui sont à la quête d'emploi et que malheureusement ils ne parviennent pas à trouver même les un quart c'est quelque chose qui est très difficile. Donc, euh, pourquoi rester assis à attendre jusqu'à ce que l'État nous offre un emploi, un bureau climatique C'est le rêve de tout le monde. Mais il y a aussi une autre façon d'être euh, son propre manager, avoir son propre bureau, manager comme on veut et être son propre patron. Et cette voie-là, c'est l'entrepreneuriat. Laissez-moi vous dire que l'entrepreneuriat, ça paye, ça nourrit son nom le secteur privé là que vous voyez passer par là, tous ces pays qui sont actuellement en voie ou qui sont déjà développés, c'est le secteur privé qui est en train de vraiment porter le pays là où il est actuellement. Donc je pense que cette même jeunesse nigérienne doit emboîter les pas. Elle doit prendre un exemple assez clair de ceux qui ont passé par ce chemin et qui ont réussi. Depuis quand vous avez commencé votre entreprise le Service a vu le jour euh, en décembre 2021. Euh, donc, euh, nous sommes dans notre deuxième année d'activité. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette activité Qui dit entreprendre dit avoir une activité lucrative, avoir une source de revenus pour se suffire, euh, se prendre en charge soi-même, ne rien attendre de quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, si vous entreprenez quelque chose, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs pour mendier et pour commander. 1000 francs ou 2000 francs pour l'essence ou pour aller manger. Vous avez votre budget minime qu'il soit, investissez et vous verrez les résultats. Ça, j'en suis sûr. Qu'est-ce que votre entreprise propose Notamment, nous œuvrons dans la prestation de services, c'est-à-dire euh, on œuvre un peu partout. Et là, actuellement, euh, on a un service copie qui est là disponible, donc euh, service reproduction, si vous voulez, l'infographie, ce qui conception, de l'idée à la conceptualisation, à la finition, et tout ce qui est création d'un signe, logo, carte de visite, poster, kakimono, flyers, tout ce qui va dans le sens des documents commerciaux. Et nous ouvrons aussi dans le domaine des formations parce que nous proposons des formations et surtout notamment l'informatique bureautique, c'est-à-dire en Word, Excel et PowerPoint. Et nous formons les jeunes et étudiants et professionnels. Et aussi, nous intervenons dans le domaine du traitement d'archives. Et aussi, nous intervenons dans le domaine et de la climatisation et froid, installation, caméra de surveillance. Quelles difficultés vous avez rencontrées dans votre entreprise Il n'y a pas une chose que vous allez faire sans avoir aucune difficulté, ça c'est quasi impossible. On doit surmonter, on doit vraiment apprendre à escalader. Je pense que les difficultés c'est juste un peu au début ou des fois où peut-être la clientèle se fait ou quand vous avez des soucis avec euh, vos machines avant de trouver des pièces, tout ça là donc. Quels avantages vous avez eu dans votre entreprise entreprise Aujourd'hui, Alhamdulillah, j'ai attiré beaucoup de profit dans l'entrepreneuriat et notamment grâce à mon entreprise parce que là, je suis dans le domaine socio-professionnel. Il y a les relations qui sont là, il y a l'expertise. Et ça nous rend heureux de servir les gens et que ces gens-là soient satisfaits de ce qu'on a pu faire pour eux. Vraiment, Alhamdulillah, à tous ceux qui m'écoutent, à la jeunesse nigérienne, ne vous laissez pas faire. L'entrepreneuriat, ça paye, je vous le dis. N'ayez pas peur d'investir, n'ayez pas peur de prendre des risques l'homme est fait pour ça. Et pour ceux qui sont aussi intéressés qui ça, peuvent euh, me contacter. On va échanger, on va voir comment trouver un bon projet pour ceux qui n'en ont pas et les idées à les réaliser, Chers auditeurs, c'était là la rubrique hebdomadaire. Sinon, nous allons encore une fois de plus déguster de la zik. Et cette fois-ci, une chanson de l'orchestre Tar National. Ça donne tout simplement Kuzomu Reggae, qui signifie quoi, Sinon? Eh bien, ça signifie tout simplement, venez, on va raccourcir la nuit. Alors, en kiffe Yeah. devant de la scène musicale au Niger avec son actif trois albums, premier des hit parades et des ventes au cours de ces, ces six dernières années, après des sollicitations multiples et multiformes au plan national et africain. Ce talentueux orchestre va à la découverte également du pays de l'oncle Sama par le biais du Chicago Art Festival. On dira bon vin à l'orchestre tal national. après cette belle sonorité musicale, chers auditeurs, direction Dosso, la cité des Armakoué pour le cours des régions. Eh oui, c'est nous, le cours des régions d'aujourd'hui nous conduit directement de la région de Dosso, plus précisément à Tchota, pour parler de la scolarisation de la jeune fille. Notre correspondant, Barhamou Hassoumi, s'est intéressé au sujet et selon les acteurs de l'éducation de la localité, il y a une nette amélioration comparativement aux années précédentes. Reportage depuis qui Toyota. Bobode fartama iza wai kyawo agogate da himanda wana-wana wo chota komino a wani iza lokolo wane mo da kan saruso kanga hagoida iza waye kyawo igoga kande ingai wane kambe kokaro kulu kan ganan borwaneyen ikyawo amate wai borai zai haire ifaham da iza zai kyawo nafa matakan Nous avons fait des sensibilisations au sein même de la famille d'abord, au sein de l'établissement scolaire avec la participation des partenaires de l'école, cest à les parents d'élèves et l'AME. Et il y a aussi des sketchs, des séances de sketchs, euh, qu'on a organisé au sein des établissements qui parlent sur la scolarisation de la jeune fille. Les avantages à la scolarisation de la jeune fille sont le développement de la société sur le plan économique, sur le plan culturel, nous avons l'éveil, c'est-à-dire la femme qui est scolarisée avait une culture différente à une femme qui n'est pas instruite. Il chota agogete ina inga ingayno ga jine matakan direktar abdurrahman abdu ana dinda irdo igisindi kala zanka zangugu da waidu igisindi kala wa bugai zakan to zangu hinkan da wa kukin da aifoyan akwai ta sanda kanan da bon wai gukin da da iphone ya danga ikwalo ga tubarikal wa bugai zai ibada albugai zai ikayongomo gogo bori o ikayongomo gogo bori zama composition sintina din kantakulu kulu kalasu wakin din kara ikwai gudu sanda kalasa hakku kan waburai zai gogo ka premier hala dai di kan lokoli zai wana wana lokoli zai wai borai icawo a bar mai zama sai lokoli zai haira dingai wani gakasin koi ina kambadancar kambara gakande ingai wani gakasinai kan gana iza waye lokolo mate matakan agahi manda matakan madan aminu asamawu fila irse da Allah ya gane kyau jirai wa kai alhamdulillah jiri banda banda din tafaryan kai na gono zanu ba a banga te yam ga koito waziyam a bo dabo a hiji a ban. amma sun o giri hinzu ne akan iddu ga sinai da sarauniya sarauniya din no kaga boy ga sinai zan ka hoy boy zai lokolo bon ana fonda ke ci kan a banga hiji a kontini satto din a hiji ga ka lokon no ba bai bani sai no su kyau wallahi go bon fere te zame go kare gabati ya tare zu kai na yi borai borai zo kan kyau a fura gwara da wai borai zo kan man kyau a fuwara gwara iri e te tiyata wai borai zo kan kyau matana gingai zai tarbi da ngai mu mu dogi kyau wa kan man kollo kol matana go ngai zai tarbi da fu zame iska cewa wai borai zai kan kyau din za hal era ga to agi zai in ware so lami amisa kulla wone kan man kyau mu diza so le go ko yamne kai karate sai an haifuna da inoya to ndi ya dinga bo kan cewdo kan man cew zai zai tabi yayi mi koy jewo te da inga no woke man hayo izo woye lokolo choto kuminora harino kan aninga bon chebe wone mo lokoli zai igogida lokolo gumu gumo yadin mo lokoli zai igoga kai ginga wani te? wana wana izo woye wone mo hankan ganan amadumi imo konda fera kan siba iza mayekaka Et oui, voilà Ibrahim qui a réalisé ce reportage est au bout de la ligne. Barham, autant pour moi, qui a réalisé ce reportage est au bout de la ligne. Barham, salam alaikum. Wa alaikum salam. Barham, ni kan bani? Bani, tawala matara kan. Mataga, matodo, mata dosan kyoto wallahi tani kusi chota na do sokulga ato aburde na sonda erni barbata hangan kan ne sokoner se ni woni diyonga ifono kanda kanda izanko e wandiye o kolo go no koyde ginan da gabi wallahi hankanno kanda izanka e wandiye kolo mo koyde gabi dai gabo dai bon fere de mo bon fera ni di kan bon fera hinna go wasoli foni ge zanka ere do harabinde o danga zanke here i bon fera e pidir guna ni be irwo e ne o chota guno kan wayboray igonda nangu bata zamani yamo sai da umur kair nyes kan aka cota ingano na waiburai margu ani dan chow to ingano kan kair ne wo cota wo waiburai zai chow yango nyange kul faham kan chow yango da na fa'i gonga zai dai ma chow to madalla aburde na irgin fondo goy barham irga do subora menda menda kanibani mm, merci oh, beaucoup ok irin foi banoga À présent, cher auditeur, accueillons Sariou Adam, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour Seno. Alors, la forme Ouais, ça va, ça se passe bien. Nous ouvrons cette page de sport avec euh, du football. Hier, la demi-finale allée de la Coupe nationale s'est jouée dans l'après-midi au stade général Sénikounché entre l'AS Douane et l'AS IAM de Niamey. Oui, c'est nous et sachez que c'est l'équipe de l'université Abdou Moumouni qui s'est inclinée devant l'association sportive de la Douane sur le score de 3 buts à 0. Pour l'entraîneur de l'AS Douane, cette victoire n'a pas été chose facile, écoutant ces propos recueillis par notre collègue Ali Moukela Ousseini. Tout le monde connaît l'université, donc c'est une équipe qui est trop physique. Et on a opté pour jouer vraiment euh, à terre. Donc, euh, ce qui a fait qu'en première mi-temps, on a pu scorer euh, de trois buts. après, maintenant, ils ont mis beaucoup d'impact en deuxième mi-temps. On n'a pas retrouvé cette stabilité parce qu'on les a laissés jouer. Bon, maintenant, je ne sais pas, si c'est la fatigue. On va essayer de, le travailler aussi. Le match retour, on va le jouer comme si on n'a pas gagné. Voilà, donc c'est une équipe euh, qui a des qualités. S'ils sont en demi-finale, c'est pas pour rien. Donc, on va les prendre comme tête. Alors là, c'est l'entraîneur de l'AS Douane. À présent, je propose d'écouter l'entraîneur de l'AS IAM qui garde toujours espoir pour se rattraper avec le match retour. De toute évidence, quand nous sommes venus jouer, nous avons un plan bien précis. Nous savions que c'est compliqué parce que c'est une équipe de très très très haut niveau. Nous ne sommes pas au même niveau, certes, même si on, nous croyons que nous avons la chance d'arriver au dernier match, c'est-à-dire la finale. Ça, c'est la phase à aller, chez eux. Ils nous ont accueillis, ils ont, mis trois buts à zéro Même si on estime que le score est très lourd, malgré le fait qu'il y a un écart de niveau entre les deux équipes. On pensait pouvoir tenir, euh, avoir un, score avantageux pour le match retour. Mais ça n'a pas été le cas. Seulement, il y a dix jours qui restent pour préparer le match retour. Comme on l'a dit, nous, on n'abandonne jamais. On sait que nous avons notre chance et nous allons jouer jusqu'au a Toujours de l'espoir. Certes, je, ne serai pas trop prétentieux. C'est l'AS Douane qui nous ont gagné 3-0. Mais nous, nous sommes universités. Nous avons des ressources. Je ne dirais pas que nous allons faire la remontada, mais nous allons essayer de tout faire pour revenir. Et c'est possible. Dans le football, on a vu beaucoup d'exemples comme ça. Alors, c'est nous rappelons que dans l'autre demi-finale qui a opposé la Kokana Football Club d'Arlit contre l'association sportive de la garde nationale, c'était soldé sur un résultat nul et vierge de 0 but partout. Adama, les footballeurs internationaux nigériens continuent de redorer leur palmarès dans leur club. Oui, Salamatou, après Kamilou Dauda et Mohamed Ali, Moumouni Darankoum, plus connu sur le pseudo de Mouni, vient d'être sacré champion dans son club de shérif Transasport en Moldavie. Alors c'est tout pour cette chronique. Euh, au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces informations sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Sani Arzika Nourou. Il est plus connu sous le sobriquet de Nourou Philo. Il est étudiant à l'université Abdou Moumouni de Niamey et porte la casquette d'initiateur à certaines occasions imitateur, désolé, porte la casquette d'imitateur à certaines occasions. Bouremo Farid s'est entretenu avec lui. Voici son portrait. En plus d'être étudiant, vous avez un talent spécifique, celle de l'imitation des voix. Vous pouvez nous faire une démo Nos adversaires, quant à eux, ont déjà donné le taux hier. Rien que le choix de la date de leur manifestation, le jour de l'ouverture de notre congrès fixé depuis très longtemps, en dit long sur leur manque d'élégance. Ça, c'est la voix du président actuel Mohamed Bazoum. Bazoum, oui. D'où vous est venu ce talent d'imiter la voix des personnes Ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est un artiste ivoirien. Je l'ai une fois entendu imiter notre président. En ce temps-là, Mohamed tu était président. Il l'imitait, quoi. Je vois que non, s'il y a nécessité, pourquoi pas nous, étant Nigériens, de pouvoir imiter nos présidents que de laisser quelqu'un d'ailleurs puisse le faire à notre place. Et cela m'a beaucoup encouragé. Et en le mettant moi, j'ai aucune technique que d'écouter. Quand j'écoute la personne, j'essaie de suivre son rythme et que ça va venir, Inch'Allah. Comment avez-vous su que vous avez cette euh, capacité euh, Il a fallu m'y rendre à l'université où je vois que chacun a en lui un talent qui manifeste. Et moi, dans la recherche de la notoriété, parce qu'à l'université, il faut avoir une notoriété. Donc, je me suis dit, je vais me lancer dans l'humour. Et dès là, j'ai commencé à imiter Mohamed Issou, c'était la première personne que j'ai commencé à imiter. Voilà. Est-ce que ce talent, vous avez eu à le présenter au-delà de l'université au grand public Si, si. Année passée, nous avons été invités à Arlit pour la fête des mines qui s'est fait à Arlit chaque année. Donc, euh, le directeur a voulu vraiment que nous soyons là et c'était juste pour lui parler de cette voix du Mohamed s'est passé, il en a entendu parler. Donc nous étions à Je crois que je puis assurer l'autre côté. Il s'agit de travailler la voix. C'est une question de longue haleine. En tout cas, c'est très difficile. Mais l'essentiel se veut que l'on force vraiment. En imitant, il faut vraiment écouter bien la personne à répéter comme lui. Donc euh, voilà les techniques qu'il faut, c'est de bien écouter et de répéter textuellement ce que dit la personne. Quand euh, la voix va venir, il faut d'abord maîtriser le rythme de la personne. Au-delà de ces personnalités politiques, est-ce qu'il y a d'autres euh, objectifs que vous êtes fixés, notamment dans la traduction de voix destinée à la radio ou bien les films, disons Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup les films indiens traduits en rosa, notamment les films traduits par Algaita Dope Studio. Et à force de suivre ces films-là, j'ai quand même pu maîtriser trois à quatre voix des personnes qui traduisent ces films-là. Un exemple de voix que vous avez réussi à maîtriser. D'accord. Euh, dans tout film indien, il y a la voix du chef. Hein. Voilà, celui qui est fort en tout cas. Donc c'est la grande voix donc je peux un peu m'apprésenter un peu là-dessus. Kai, na sinu basrao, ni ne wanda ba Mumbai, idan ka ce ba ka kuma za ka zama shigagge, ha? Eh, karka damu, ai sunana Rangela Massa, na shara cikin na aikin. Où est-ce que vous voyez dans cette carrière Ce qui est devant moi, pour l'essence, et les études. Je suis atterri à l'université en 2019 et alhamdulillah, aujourd'hui en 2023, je suis en Master 1 donc, j'ai fais un cycle normal. Ce qui me préoccupe d'abord, c'est mes études. Parce que moi, je prends ce talent-là comme quelque chose avec lequel il faut juste peut-être s'épanouir, faire rire aux gens, mais je ne prends pas ça comme une carrière professionnelle. Donc, comment est-ce que vous faites pour concilier études et ce, ce là à l'université, nous avons une commission des affaires culturelles dont je suis actuel délégué principal de la sous-commission art oratoire. Donc, comme euh, on dit l'art, ce n'est pas ce qu'on vit tout le temps à l'université. Il y a des moments des études, c'est quand il y a des activités, on convoque les artistes et on fait des répétitions. Je crois que ces activités ne peuvent pas nous empêcher de continuer notre carrière académique. Je crois que c'est un honneur pour moi d'assister au studio Kalangu à ma qualité de l'ex-président de la République du Niger, son Excellence Mohamed Merci. Je crois que vous l'aurez compris, c'est la voix de Nour Chilo et non de l'ancien président de la République, Mohamed Issoufou. Et oui, voilà, après ce portrait très inspirant, mesdames et messieurs, chers auditeurs, déguistons notre dernier, dernière, autant pour moi, notre dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui et c'est le morceau Jaou Bouddha de Batu Berry. Voilà. oui, cher auditeur, cette belle voix que vous venez, hein, vous êtes en train d'écouter et en train d'imprimer ses marques dans la musique tradie moderne nigérienne de ces dernières années. Mais c'est depuis 2005 que Fatih Isaka ou Batu Berry, par son nom d'artiste, a commencé à à ce métier. Aujourd'hui, euh, la quarantaine revolue. Et malgré hein, son poids physique, euh, elle chante et danse avec la même énergie, la même détermination de donner la meilleure d'elle-même sur, sur la scène afin de faire partager à ses fans sa voix et ses pas de danse inspirés de Biti Harey, qui est la danse populaire des Armands. Au bout de l'artiste Botoberi, je vois notre chef d'édition Adam Dawati en train de bouger de l'autre côté de la vitre. <laughs> Exactement, Sally, c'est une chanson qui fait bouger. Eh oui, sinon, maintenant, on passe à notre lati du jour. Eh oui, hein, aujourd'hui, cette rubrique sous forme de sketch que nous proposent les femmes du studio Kalangu nous parle de l'importance des petits commerces par les femmes afin d'arrondir les fins du mois. Samira Rouafi et Hawa Ousmane nous en disent plus. Affairage, affairage, affairage, affairage. Bonjour ma chérie, comment tu vas Bonjour ma puce, je vais bien, Dieu merci. Et toi Je vais bien aussi ma chérie. Comment ça se passe le boulot Tu as bien fêté, j'espère. Dieu merci, la fête fut belle. Espérons de même de ton côté. Elle fut très belle même ma chère. Sauf qu'elle a consommé toutes mes économies. Je me demande même comment je vais faire pour tenir ce mois-ci. Toutes tes économies Wallahi, je n'ai plus rien. J'ai tout dépensé la totalité de mon salaire, je te dis, et toutes mes économies aussi. Attends, qu'est-ce que tu racontes Explique-moi. Ma chérie, expliquer quoi C'est ce que tu as entendu, non Donc toi, tu comptes uniquement sur ton salaire. En dehors de ce dernier, tu n'as aucune autre source de revenus. Non, non, non, c'est ma seule source de revenus, comme ça. C'est avec mon salaire que je fais toutes mes dépenses. Ah, je comprends mieux pourquoi tu as toujours du mal à terminer le mois. Donc toi, ton salaire n'est pas ta seule source de revenus Bien sûr que non. Tu as oublié qu'à côté, j'ai mon petit commerce. Ne sais-tu pas que le temps où on ne comptait que sur son salaire est révolu Tu parles de commerce. Ça, c'est pour vous. À peine j'arrive à gérer avec mon argent. Donc comment faire pour faire commerce dedans encore Qui t'a dit qu'on a besoin de beaucoup d'argent pour faire du commerce Explique-moi, même de nos jours, il suffit juste d'avoir un peu d'argent et te lancer dans un commerce, Fadima. Ah, je vois. C'est vrai. J'ai remarqué que maintenant, de plus en plus, beaucoup de femmes font des commerces hormis leurs travaux. Bien sûr, maintenant les femmes deviennent de plus en plus entreprenantes avec de très bonnes initiatives. Vraiment, merci beaucoup pour ces conseils. Je m'y mettrai demain. maintenant. Je t'en prie. Tu sais, non seulement cela te permettra d'arrondir tes fins de mois, mais te servira également à beaucoup d'autres choses. Je te remercie vraiment, ma belle. Je t'en prie. Je te laisse, je retourne à mon bureau. D'accord, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'accompagne dans ce cas. Ah, vous là, vraiment, vous êtes très malin. De... moi, je vais commencer à faire ce commerce-là. En tout cas. <laughs> Voilà, chers auditeurs, c'était là le loti du jour. Euh, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de notre euh, collègue Alamine Ouachar. Il est journaliste, traducteur en langue tamashek euh, au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot débroussaillage en français et en tamashek. Débroussaillage, c'est un mot masculin, alors on dira débroussaillage. Le débroussaillage est une technique culturelle, culturelle qui consiste à ameublir le sol et réduire les matières végétales de toute nature, herbes, branchages, feuilles, etc., qui se multiplient dans une récolte, une culture. Bref, c'est une action de préparer les champs avant de semer. Au Sahel et particulièrement au Niger, c'est en mars voire avril que les paysans débroussaillent leurs champs soit seul, soit en organisant un travail collectif en attendant la pluie. En Tamashek débroussaillage, المغنانيت أبرز أبرز نسيجيا أدا غصن تكسات الجرجن تتنتهت تقالت شي زاوين ديش كان هروادا أتفركاك نيش كان مدي أرتن كول يون موصني فقتا أنت زاوين ننلي مدي غبورة المثال أرت وادستانو دات فرانسيس دي بروسياج يعني إتاوغو استياتو تشيلات نتاقوي دان غاسنت مدى شدو دي تيدن أداس اللي لنسيجينت تاقين تي تيدن وماجيا كان دا غصباب ندقميان أنا مودا سكناني مدلان نسن السنكرانتن إيكي ديت غروانا آمان الزنبلا دغا دي أدا وننو أبرس إموصر دغرتن تهلفيدت هو اللي انفولا قلنا ويقراني مضلان نساهل دا نيجير دا تلي تمارس استنى افريل انت تقينا ماجيا كان الشغل وين براز انت وقاز دين اكسن نقصن تجرقن افرد انطلب Merci euh, Alamine Ouachar pour euh, ces éclaircissements sur le mot débroussaillage. Chers auditeurs, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment la rubrique culture linguistique. Alors, euh, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser euh, un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. On prend une petite pause et on revient juste après. Ni ne Amadu Abdulrahman mazaunin garin Bande. Ni abocin sauraron Studio Kalangu ne ta hanyar Radio Ikra Bande. Musamman shirye-shirye da Studio Kalangu suke yi akwai bangare Deva akwai kuma bangare ta yare guda biyar da ake yi. Musamman gaskiya harkar Studio Kalangu mu muna sauraron su ta bangare na abubuwan da suke shirye-shirye na gaskiya ne wanda dira ta kawo wanda labari ne wanda na ƙasa da ake badawa. Muna jin daɗin amala kuma muna jin daɗin sauraron su da kyau. Kuma akwai ma'abota sauraron studio kalangu bangaren banda akwai abdu dan bariki akwai wani petit frère ina ana ce mishi akukuli akwai kuma tonton ina a niamey ana ce mishi ali mutari tayar eh, min eh, abdu altine balagu george nder commune tanda département mogaya miɗo hettino eh, studio kalangu miɗo hettino surtout acti du jeune miɗo hettino kadi en journal maɓɓe togon ɗo woyanim hettintoɗum sanne do rtel lamba on mi yawi hettinade ɗum kala nguno hokka labariji ɓorey yawti fuu duroɓe ɓe fuu dow majjum noon ɓe kettinto labariji donc dow numéro e koni ɗo waɗata composé dow rtel ɗum 325 on ni duroɓe woni no kettino studio kalangu sanne ɗum uh, ɗum firta ko e duroɓe sanne sanne allah walluɓe e golle maɓɓe awa miɗo sanna dago uh, faden alu gida to miɗo sanna kerol pulako gumuder komin tande fuu e himɓe amin bala gujjo e miɗo sanna himɓe ɓunjaare amin aps wonɓe niyamey président docteur seyni amadou e hemma responsable amin souleymane kodo no wonɓe ballamin miɗen gaɗa golle dow inne aps nder komin tanda Voilà, vous venez d'écouter les messages vocaux de nos auditeurs. Nous sommes avec euh, Nafissa Sirfo pour les grands titres de ce soir. Bonjour Nafissa. Bonjour Dans nos éditions d'information de 17h, vous entendrez les responsables des services de santé de la région d'Agadez sur les cas de malades de la méningite qui sont en baisse dans la commune urbaine d'Agadez. Ensuite, vous entendrez le secrétaire permanent du Code rural qui nous édifie sur les mécanismes de sécurisation du foncier rural. Le magazine s'intéressera à l'utilisation des couvertures traditionnelles pour les jeunes mariés. À partir de 18h15 interviendra le forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition de votre euh, émission Le Niger sur le Kalangou. Vous étiez en compagnie de Salamatou alias Sali et moi-même euh, Seno. Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour lundi avec un nouveau numéro. Sur ce, ciao ciao, passez un bon début de week-end.